Le mouvement des femmes garanquées, qui réunit, dit-on, quelques 400 adhérents, a organisé un meeting dimanche 17 février à Bagnolet pour apporter solennellement son soutien au candidat Macky Sall. Toutes les adhérentes se sont engagées à voter et à faire voter Macky Sall dimanche 24 février. Un engagement que la grande sœur du candidat de Benno Bokoyakar, marraine du mouvement, a salué à sa juste valeur. madame Eh, maa ngi leen di nuyu tamit ci turi délégation bu mag bi ma àndal boo xamante ne sama doomi lay jàng ci mu ngi ci Adja Marème Fall mi ngi ci waaw Adja Koumba Sade Gueye mi ngi ci waaw sama rakk ndey ci bëgg sama mi ngi ci waaw su ma limee nag xam naa dinaa juum waaw yéen ñëpp taxaa yi di sàmm mi ngi ci waaw ak Kadja képp ku ma tudd nag nag ma jégal sama sama doom sama frère bi muy Sarr di sama chef de service di koo xamante ne dama dama ko ñaanal dama koy dama ko gërëm dama koy ñaanal. ndax mooy saa dafa ma jàpp comme yaay. ndax mook sama rakk yi ñoo bokkoon classe. te man sama rakk yi samay doom lañu moo tax mu jàpp ma comme yaay. maa ngi nuyu nag communauté Diakhaté yëpp di leen gërëm di leen di ñaanal suñu wàll bi ñu fi jógee léegi doon def ay ñaan yal na yàlla may gudd fan ak wér. di leen wax rendez-vous au 24 février.

Moïsar, Neidi Bagassama, Mariam Mariem Fall, bref, tous les membres de la délégation de Sal ont aussi euh, tenu à remercier les femmes Diaranké pour le soutien au candidat Macky Sall. Madame Kébé et l'ensemble de la communauté Diaranké soyez remerciés vivement. nous sommes arrivés, nous avons trouvé une salle pleine à craquer une belle mobilisation. Une communauté non seulement qui est très croyante, qui est très spirituelle, qui est positive, qui est influente, mais une communauté qui est bien vivante. Et ce n'est pas pour rien que nous sommes là ce soir. Parce que dans huit jours, dans huit jours, à Paris 1, nous devons célébrer la victoire la chance. Parce que cette communauté, c'est une communauté qui porte bonheur. venir rencontrer cette communauté un dimanche soir à une semaine de l'élection présidentielle et à partir de 21 h c'est effectivement avoir la conviction que dans une semaine, avec la communauté on ne va pas revenir sur tout ce que le président a fait pour la Casamance, mais également pour le Sénégal. Rien qu'en France, il a dit tout à l'heure, vos enfants qui sont nés ici, qui ont grandi ici et qui sont dans les universités aujourd'hui, ont la possibilité, s'ils ont la nationalité sénégalaise, d'obtenir des bourses du gouvernement du Sénégal. Vos procédures au niveau du consulat sont simplifiées. Vous pouvez avoir aujourd'hui le passeport à moins de 24 heures. des cartes internationales sénégalaises. Nous beaucoup sur vous, sur votre aide. Le 24 février, ne faut pas dormir. Déjà le 23 au pas. matin, premier métro, de la chapelle, 100% en France, 100% en France. 100% il a fait beaucoup pour la diaspora, surtout pour France. Si on prend 90% des nominations de la diaspora, c'est la France. Donc il a fait beaucoup pour la France. Nous, nous devons lui rendre la monnaie. La monnaie, c'est quoi C'est avant voter. Voter pour la majorité présidentielle le 24. À partir de 18h, on fête la victoire. Tout le monde dort, tout le monde sort. Euh, nous mais mais man mun naa leen garantir ne du pas ko parce que je suis Gassama je me sens Diakhanté je me sens chez moi. je connais les valeurs je connais les valeurs yi nga xamante ne moom caractériser les Diakhanté notre cher neveu l'a dit tout à l'heure on n'est pas venu pour réclamer des voix on est venu pour raffermir des liens de parenté nous sommes tous des Sénégalais le président l'a dit il y a pas c'était avant-hier à Fatih. il est Foutanké il est fatigué, il est Casassé il est Sénégalais

def na lépp. def na lépp ah madame Dramé madame Dramé xam na def nga lépp parce que depuis ngeen xamante vraiment kontante rek la gis ci lien bi yal na ko yàlla yàggal. yàlla dàqal ñu seytaane. Euh, du ma a pare wax nag guddi na te du wax ci suñu frère suñu neveu muy Sarr c'est le Je sais qu'il ne va pas aimer. Je sais qu'il ne va pas aimer. Parce qu'il est aussi discret que le président. Ah, il est très modeste. Je sais qu'il ne va pas aimer. Et moi, ça me tient à cœur. Je sais que au Sénégal, que ça soit au Sénégal, que ça soit dans les diasporas, le président Macky Sall à mon 3. Le même sapeurs parce qu'il est discret. À chaque fois qu'il y a des foyers de tension, il le règle sans pour autant qu'elle ne l'ait pas, qu'elle ne c'est le moment de te rendre hommage. Tu es une personne de valeur. Ah tu es une personne qui aime le président, qui est sincère. Et je sais que le président te compte sur toi. tu la présidente du mouvement des femmes Diaranké, visiblement émue, a vivement remercié la grande sœur de Macky Sall qui, dit-elle, a honoré la communauté Diaranké. Nous venons d'écrire une page d'histoire, sincèrement. Une première depuis le Sénégal, en passant par le Mali jusqu'à Guinée ce soir, on parle de Yahaki. Ça, c'est de première. Et grâce à qui, à notre rencontre avec euh, ma soeur, cette charmante dame, discrète, aimable, je manque vraiment de mots pour la qualité. Et là, vraiment, je vous dis merci encore. Parce que là, vous venez vraiment d'honorer les garanties. que là, on peut avoir la possibilité d'être connu parmi tous vos sommets de l'État. Grâce à vous. C'est important. C'est important. Donc, pour euh, mon oncle l'a fille dit nous sommes avec vous et votre frère jusqu'à son élection. Jusqu'à son élection, le soir du 24 et dès le premier tour. Vous savez, pour le livre, nous notable, C'est dialogue qui ne s'engage pas. Mais quand s'engage, il est sincère. Le gars qui est homme et là, avec cette prière-là, allez dormir. Il n'y a plus de à dire. Dites à votre frère, s'il veut, on arrête la campagne électorale. Les gars, soirée ce soir. En premier, il y a M. comme l'a il y a M. Ousmane Diallo, qui était à l'origine de la connaissance avec euh, Malgré qu'il n'est pas là ce soir, mais je ne vais pas l'oublier, il faut que vraiment je le remercie. Parce que ce qu'il a fait n'est pas regrettable. Au contraire, au contraire, là, il nous a fait quelque chose qu'on n'a jamais eu. Pratiquement. Oh. Comme je l'ai dit, comme je l'ai dit à Madame Oroya, uh-huh. les Garanke, uh-huh. bon, comme l'a dit aussi mon oncle, les gars se sentent isolés au sein au, Sénégal. Les Garanke se sentent quoi Isolés, oui. Parce que les gars. Le diarraqué est renfermé. On est une minorité. On n'aime pas s'associer au débat. Donc c'est pourquoi c'est une première aujourd'hui que surtout ces femmes diarraquées ont eu le courage d'organiser une telle soirée. C'est ça pourquoi je dis c'est une première. Et je souhaite le bon Dieu que ça se termine pas ce soir que nous parcourions ensemble au long chemin. Jour victoire au Vietnam. Et le jour de la victoire finale, nous la fêterons ici à Djibouti. de la communauté ont prié pour la victoire de Macky Sall, ils ont aussi salué son Nous sommes une minorité, mais une minorité positive. On peut faire balancer de côté à hein. l'autre. Nous souhaitons, nous avons vu la réalisation euh, du, président Macky Sall. Nous voulons la continuité de, ces réalisations pour qu'il puisse euh, atteindre son objectif pour, cela, nous l'encourageons. Le président Macky Sall peut compter sur la communauté d'Agangé. Parce que nous allons écrire des commissions dans nos villages, dans tout le Sénégal, pour une vote dès le premier tour là. Nous sommes là le vote, c'est le, 24. Et nous voulons que le 24, que le président magistrat soit un coup KO.